Aujourd'hui est un jour noir. Un jour noir, mais également un jour de fierté. Un jour noir parce que nos enfants sont également portés disparus dans les eaux sénégalaises. Donc, nous nous inclinons sur leur mémoire et présentons nos condoléances aux différentes familles, mais également aux sénégalais. jour, le, le deuxième est un jour de fierté. Fierté parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est debout comme un seul homme. Chacun de nous a oublier ses intérêts et c'est extrêmement important. Et il est important qu'on comprenne que il y a deux forces, ou, en tout cas deux groupes qui peuvent faire quitter le président Macky Sall avant le, au plus tard le 2 avril. Et il faudrait que chacun le comprenne ainsi. Et rien ne s'oppose à ce qu'il parte le 2 avril, parce que je reste convaincu que le Conseil constitutionnel va répéter ce qu'il avait dit en lui demandant d'organiser l'élection avant le 2 avril. Les deux groupes sont les suivants. Le premier groupe est le Front populaire, qui a été créé autour de nous, qu'on appelle aujourd'hui le Front de résistance, qui a sa dignité et qui défend le Sénégal. Et le Sénégal aujourd'hui est uni. Et c'est ça le peuple. Et le peuple avec la démocratie, avec l'avenir du Sénégal. Le second groupe concerne les partenaires du Sénégal, je dirais les institutions internationales, pour leur dire de ne pas baisser les bras on nous avons besoin de ce groupe, ce groupe d'institutions internationales, parce que avec le président Macky Sall, il faut mettre la pression. Et ils ont les moyens financiers, ils ont le pouvoir pour venir nous accompagner et le faire partir. Enfin, leur dire que nous sommes en train de réécrire notre histoire. Un, le prochain président du Sénégal est dans ce groupe-là, parmi nous. Et nous retiendrons ceux qui ont été là quand le pays avait besoin d'eux. Et euh, toute autre, institution, qui ne sera pas là pendant cette période de crise sera un ennemi du Sénégal. Et l'histoire le retiendra. Et surtout que rien ne se pose pour que l'élection présidentielle soit réalisée avant et pour que le président parte le 2 avril. Les juristes l'ont dit, et l'ont répété. Donc, Président Macky Sall, nous vous demandons de grâce. Vous avez reçu le pays, vous avez été président en 2012 avec les honneurs, avec la paix. Nous vous demandons de, remettre ce pays aux un endroit avec la paix. ñaan encore ndax bis Sénégal tol nañ fu nga xamé né doyna war ndax lan ku tok ci nguur gi nga ne du fi jóge alors que mom bi muy jël nguur gi daf koy jël ak jam ak salam en 2012 ngir yalla dañ koy ñaan mu joxé réew mi avant le 2 avril ci jam ak salam ndax mënu xex ak un peuple et aujourd'hui le peuple mu ngi ni askan wa ngi ni sunu ginaaw le vrai peuple uni ñom bëggu ñu dul Sénégal am jam démocratie bi sax fi té lolu mun na ne parce que conseil constitutionnel bi nga xamee ne moo wax na élection yi dañ ko def ci délai compte bi deux moom xam naa ne dinañu wax parce que saisir nañ ko dina wax ne élection yi na am avant le deux pour que président Macky Sall amul ñu réew mi avant le deux avril amul dara lu mu mën a teg lu war ne mën a nekk c'est très possible ndax ñi nga xam ne ñoom ñoom màcc seen xel màcc ci yoon xam nañ ko wax nañ ko yàlla nañu yàlla may xel mu am xel moo xamee ne li faatu ci xale yi ci géej gi ñu leen di jàllee encore du fi amaat may woo également ñi nga xamee ne mooy suñu naataangoo yi nga xamee ne ñoo dëkk nekk Sénégal di ñu jàppale. ma ne leen jamono jii dañoo soxla ñoom aussi ñu bañ a bàyyi seen loxo ndax Sénégal tey benn bopp la mu ngi ni suñu ginnaaw te ñu xamee ne kii jiite réew mi ëllëg ci ñun ñii la du doon kenn képp ku nga xamee ne jamono yi dimbali nga ñu li fi nekk dem ci jàmm ak salaam duñ ko fàtte. képp koo xamee ne dimbaluwuñu ba li fi nekk problème am di jàpp nañ ne dinañu ko jàppale te bu subaa ñun ak yow am lu ñuy séq donc loolu mooy li ma bëggoon lancé di wax en dernier lieu que am na si moom du lu ñuy wax du lu ñuy xalaat jamono ji kenn bañul baale mais baale bu ñu gëstoo ba pare justice ba pare après vérité am après ñu def réconciliation donc amnistie bi nañ ko teg sur parce que ça ne nous intéresse pas et ça n'intéresse pas les Sénégalais jërëjëf wa salaam. merci beaucoup au tout dernier.